ce qu'il faut retenir, c'est qu'en parlant de l'historique des archives ici au Niger, il faut savoir que eh, l'historique des archives du Niger ne peut pas être dissocié complètement de l'historique des archives même de l'espace AOF. Parce que déjà en 1907, euh, donc au niveau du ministère, donc au niveau de la Chambre des députés, le 19 octobre 1907, un député a interpellé le ministre des Colonies par rapport à la situation des archives dans l'espace AOF. Et le ministre de la Colonie a reconnu les faits, c'est-à-dire le fait que les archives étaient mal tenues et que les papiers originaux se trouvaient eh, un peu partout. Il a reconnu les faits en 1907, donc suite à l'interpellation de ce député. Et en 1900 et le 21 octobre 1907, il a adressé donc le ministère de quoi une lettre circulaire aux différents gouverneurs des colonies. Dans cette circulaire, il a notamment indiqué qu'il y a une certaine surveillance à exercer sur les archives des différents services. Bien. Mais euh, cette gestion euh, ne manque pas dans cette gestion, il y a des problèmes. Nous avons un certain nombre de problèmes qu'on rencontre donc dans la prise en charge ou bien si vous voulez dans la gestion de ces archives. Donc je dis que dans la prise en charge de ces documents, nous avons vraiment des, des problèmes. Le premier problème qu'il faut soulever, c'est l'exiguïté des locaux. Ce bâtiment a été construit en 1974. Aujourd'hui, il est arrivé à saturation parce que les deux magasins, les deux grands magasins de stockage des documents que nous avons euh, ne peuvent plus recevoir euh, quoi que ce soit. Ils sont saturés depuis déjà, je crois, une bonne dizaine d'années. Hein. La salle de lecture où nous recevons les chercheurs, initialement conçue pour accueillir 25 usagers, également est devenue exiguë. Parce qu'aujourd'hui, on a un nombre plus élevé que ça d'usagers qui viennent par jour. Donc, la salle ne répond plus. Vous avez les bureaux à affecter au personnel. Il y a eu du recrutement. Des nouveaux cadres sont venus. Il faut leur trouver des bureaux. Il n'y en a plus. En plus de ça, depuis un certain temps, peut-être quelques années, trois ans, quatre ans, on partage le même bâtiment avec deux autres directions du secteur général du gouvernement. Ça, c'est notre problème. Vous avez le problème de, la défectuosité des circuits électriques et de climatisation. Les bâtiments, ou bien si vous voulez, les magasins ne sont pas bien éclairés et la climatisation fait défaut. Alors tout ça, ça ne facilite pas la prise en charge des documents. Donc en gros, voilà les quelques problèmes, les grands problèmes que nous rencontrons dans la gestion de ces archives. Et c'est des problèmes qui datent de, depuis un certain temps. Le problème du local, le problème de l'électricité, de la climatisation, ça ne date pas de cette année.